tay Ayib Daffé yow nga xamné jot nga dugg bi rassemblement national si ba muy metti euh, yeen réforme tay jële nga japp ni mom lañu wara indi ci institution bi nga xamné ne moom mooy ñaareel si réew mi waaw réforme ñu ci wara indi yaakaar naa ni déjà annoncé nañ ko ci projet bi parce que ci projet bi yéene bi moy renforcer les moyens mhm. humains les moyens matériels de l'assemblée nationale mhm. assemblée nationale mo ngi am un budget bu nga xamné ça tourne autour de 20 milliards euh, par an te budget bobu déjà si walum transparence war nañu améliorer euh, fonctionnement parce que l'Assemblée amna assemblée nationale nous ci bopam le budget amna luñuy woyé commission de la contrôle et de comptabilité donc déjà budget bobu mhm. na war nañu yok transparence bi parce que tay suñu voter budget assemblée nationale ñun en tant que député xamuñu lan mo ci biir budget donc transparence bobu déjà ci vote budget bi war nañ ko transparence également ci mise en œuvre budget nous pouvons contrôler muy am rapport trimestriel de contrôle nous devons war renforcer donc sous ce nous ñu renforcer également les moyens humains et matériels su fait que supprimer nañu le HCCT mhm. supprimer nañu le conseil économique social et environnemental L'Assemblée nationale a une fonction, la fonction fonction voter la loi donc dañu nous si voter ay loi la loi est ci ëpp ci euh, exécutif lay jóge projet les projets de loi mais war nous góorgóorlu mu am initiative législative yu jóge ci député yi proposition de loi à ñu York. donc pour ça pour ñu York, initiative législative il faut que député députés nous renforcent en termes d'assistance en termes de conseil sur le plan technique sur le plan juridique tay un assistant parlementaire tay il y a une euh, assemblée nationale suñu limé fukk ak assistant parlementaire la donc war nañu yok euh, li assistant parlementaire yi fexé renforcer ñoom itam statut nous avons vraiment dañu en CDI ñu carrière nous un corps des assistants parlementaires nous avons une perspective euh, de retraite de sécurité sociale nous mm-hmm. amagul ba léegi mm-hmm. leneen li également euh, personnel de assemblée nationale nous mettre dans de bonnes conditions parce que le personnel souvent au gré des majorités il faut ñëw mais nous gën leen professionnaliser renforcer ses capacités et mettre gens dans de meilleures conditions matérielles mettre gens dans de meilleures conditions ñu monde a parce que sans ce personnel là les mhm. ah, député c'est une production d'AIDES, parce que de leen gis mais nous devons faire fonctionner l'Assemblée nationale Ce que nous c'est style de euh, rapport entre exécutif et législatif Nous en tout cas un plus grand une un plus grand équilibre dans la mesure où l'Assemblée nationale warul nekk un annexe euh, du palais de la République warul un annexe de l'exécutif loo xam ne rek enregistré mais dafa war a un pouvoir législatif qui xam effectivement dans le blocage dans l'entrave comme la majorité bi nuñ fait, mhm. le gouvernement bi ñëw indi mais quand même euh, war jouer son rôle également de contrôle de l'action du gouvernement parce que c'est la deuxième fonction de l'Assemblée nationale pour le y a am commission permanente qui est une si fukk commission permanente commission yooyu tamit dañ un budget annuel avons un plan d'action annuel chaque année ñun ligne nañu bëgg en termes de euh, propositions, en termes de visites sur le terrain nous, a député yi des sénégalais donc si question écrite question orale question d'actualité moy am ay séances régulières nga xamné le gouvernement day ñëw assemblée nationale député yi tamit di len challenger. est-ce que do ay forces yu équilibrées pour que ñu may li nga mëna wax biir assemblée nationale. Euh, pas forcément parce que assemblée nationale am na pouvoir yoy ba paré pouvoir yoy jaru sax ngay modifier constitution bi jaru ngay modifier règlement intérieur mais c'est que esprit bi nañu wara changer parce que su féké ni dañ fa teg nit mu japp ni mom Hein? ah ce a président de la république le président de la république bu fa dans un état d'esprit de renforcer la démocratie y euh, une euh, assemblée nationale qui est en train de fi xamoon assemblée nationale a le pouvoir mais il utiliser mais président bu euh, gouvernement bu fi l'esprit. Nous nekkuñu ci esprit boobu ñoom lu fonctionner parce que loolu mooy renforcer démocratie. L'Assemblée mmh. nationale joue jouer rôle de représentants du peuple donc contrôle de l'action du gouvernemental euh, contrôle ça veut pas dire que nek dans une posture où nga xam ne euh, lu ñëw rek euh, nga sanni xéer ak yoy du assemblée nationale mais tay gouvernement su wé nga joxé sa xalaat xol nu ngi koy améliorer xol tamit sénégalais yi mëna suivre loolu comprendre politique publique yi moy mooy rôle assemblée nationale té la commission permanente yi nga xamné moy assemblée nationale nekk assemblée nationale war nañ jouer sen rôle et sur ce plan là également war nañu une communication bi mooy am une chaîne parlementaire di retransmettre les débats parlementaires certes en séance plénière mais surtout en commission parce que nit ñi xamuñu lu xew commission te commission lu ci euh, débat technique yi commission lay amé. donc sénégalais ont le droit euh, mu xam lan moo xew commission débat yo itam suñ ko xasee euh, dans le journal des débats mais journal des débats si surtout assemblée nationale Qui ci accéder nga accéder ci ku bëgg a jot si loi tamit parce que nous avons dañuy am pour loi yi nga poster sur le site de l'Assemblée nationale. donc ku bëgg contacter député tay nga yow député ce circonscription wala département nga bëgg contacter wala n'importe quel député nga am digitalisation. Mmh. en tout cas euh, Kibi, euh, euh, un peu des activités. Vous saisir ce député contacter. wala mail lettre je pense que ay réforme la beneen bi par exemple nous, députés, yi nga xam ne ñun ñuy au niveau des départements man département Sédhiou nañ ma en 2022 Euh, parti bi na confiance investir ma au niveau du département de Sédhiou Je remercie ci remercier parti bi di ci remercier également tous les responsables et tous les militants euh, de PASTEF et des alliés au niveau du département de Sédhiou mais man tay, war naa mun am koo un assistant au niveau départemental tey man je suis à l'Assemblée nationale en session mangi participer ci séance assemblée nationale que ce soit séance plénière séance commission mais des fois day am ay réunion yo xamné les député bi dañ ko dañ représenter mhm. mais si man suma mënul sur les deux tableaux day xawa a mhm. donc suñu nous kenn ko assistants départementaux assistant départemental muñu fay au niveau des réunions muy jouer le rôle d'interface entre les populations et les députés mhm. tam c'est des réformes importantes nga populations sont population nañu sentir député euh, amul distance ak ñom day am contact am proximité pour hmm. man lool nañu wara a yok. dernière bi moy évaluation des politiques publiques évaluation des politiques publiques depuis 2016 jox nañu fonction de assemblée nationale c'est vrai que conseil économique social environnemental amone na rôle bobu mais l'Assemblée assemblée nationale yaakaar mën jouer pleinement prérogative d'évaluation des politiques publiques hmm. euh, am a ay dispositions yu nekk ci règlement intérieur bi donc yo xamné war nañ ko mettre en œuvre règlement intérieur bi euh, c'est vrai que euh, xoolaat nañ récemment mais war nañu fait une revue générale du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour améliorer le diamant. jamono avons fait une réforme qui a fait que suñ ko nationale dina jouer pleinement